ces derniers jours par l'obtention du prix pour la paix et le dialogue entre les peuples et le satisfait de la directrice générale du FMI. Au même moment, des témoignages très accablants sont faits à l'encontre de son fils Karim dans le cadre de son procès. C'est regrettable pour quelqu'un qui, à qui le Sénégal a tout donné pour lui avoir confié pendant 12 ans ses destinées et qui continue à le faire profiter de tous les privilèges liés à son statut d'ancien chef d'État dont les billets d'avion qu'il utilise gracieusement pour venir forcer les barrages de nos forces de l'ordre qu'il était censé pouvoir protéger après tous les services que ces mêmes forces lui ont rendu. Wad n'a que sans prendre à lui-même. Personne ne l'a obligé à mettre son fils au cœur de la République. Et avec tout ce qu'il a eu à gérer, Karim a le devoir, comme il le disait d'ailleurs à l'entame de son procès, de rendre compte de la au peuple sénégalais qu'on ne nous aime pas, le cas de Karim Ward est purement une affaire de justice et non une affaire politique comme on le veut nous le faire croire. Dans l'histoire de l'Afrique et même du monde, on n'a jamais vu un ancien chef d'État piétiner à ce point les valeurs de la République. Ward est le père de Karim, certes, mais aussi ancien père de la nation sénégalaise qu'il a dirigé pendant 12 ans. Et pour cela, il a obligation de retenir par respect à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Rien à Ouad n'incarne la sagesse, ni le discours, encore moins le comportement ne reflète les valeurs cardinales qui caractérisent notre culture, en vieillard de sa trempe. Cela contraste d'ailleurs avec la personnalité de M. le Président de la République, à qui nous, nous réitérons toute notre solidarité et aussi notre admiration pour sa sénérité, son sens de la mesure et surtout son tempérament d'homme d'État face à cette bande de hors-la-loi qui, après avoir mis ce pays à genoux et vomi par tout un peuple, montre son vrai visage et conforte les populations sur le choix de 2012. Dès lors, notre mission devrait consister à consolider cette volonté des populations en posant des actes fort lié à la rupture prônée et incarnée par M. le Président de la République, le Président Macky Sall. Cette rupture devait être portée et partagée par tous les militants de la paix, ce qui n'est pas, hélas, le cas si on en juge la récente sortie malheureuse de Tcherno Alassane Sall. Il aura raté une bonne occasion de se taire après sa cuisante défaite, sa cuisante défaite dans son, jusqu'à dans son bureau de vote lors des élections locales. Comment un homme qui a occupé de si hautes fonctions au sein de la République peut-il convoquer des échanges effectués dans un cadre aussi solennel et sacré par le Conseil des ministres pour étayer des allégations mensongères afin de salir la victoire d'un supposé adversaire politique. Cela prouve encore que Tcherno Alassane Sall n'est pas un homme d'État et nous interpellons à cet effet toutes les instances du parti, en particulier la cellule des cadres pour prendre les mesures idoines. Pour nous autres, pour nous autres préoccupé pour la réélection du président Macky Sall en 2017. Et dès le premier tour, l'heure est contrairement à M. Tcherno Alassane Sall au rassemblement. C'est à cet effet que toutes les forces vives du département sont en train de créer la synergie autour de la personne de ministre Augustin Tine comme en témoignent les dernières réunions tenues et présidées par ce dernier, regroupant l'ensemble des représentants du département et leurs élus, à l'issue desquels une tournée départementale a été programmée, suivie d'un séminaire qui permettra à terme de planifier un plan d'action qui va nous emmener aux échéances de 2017. Tel est le message que nous voulons vous délivrer. Nous vous remercions de votre aimable attention. Ah, ñun sommes ñu ngi mastawu ginnaaw suñu frère Abdou Mbow mi nga xamante ñu ngi jëmale ay menaces ak ay cadeaux yu ñagas diko jëme ci kawam ngir lépp xuqatal ko wala tiital ko ngir jàmbaar gi nga xam ne am na ko ci taxaw ci jàppale président de la république son excellence monsieur Macky Sall ah ñun nag ñun ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi yépp alliance pour la république ñoo ngi koy dooleel di taxaw ci ginnaawam di ko wax ni ko bu mu tiit bu mu ragal te danga xam ne ñun ñu ngi ci ginnaawam. Ah, marche bi nga xam ni tamit ah, waa PDS yi ñu ngi bëgg di ko dëkkee saa su nekk di ko def ci kanamu askan wi. tammi don doon jëf joo xamantene ni wax dëgg yàlla jëf ju ñëpp ñaawlu la ah ñu ngi leen ñaan nañu bàyyi loolu parce que président wootewul jaxasoo ci réew mi réew mi tal nañ leneen lu dul ay histoire ak ay yàqaate ñu ngi wax suñu maam Ablaye Wade kon ko moom dafa yoroon lu mat fukki at ak ñaar di doxal ba yàlla dogal loola mu yoroon yorotu ko keneen yor ko ah bu nee nag lekkatuma ci ndab dama ciy xëpp suuf loola du doon loo xamante nii lu rafet la ci Sénégal du lu rafet ci moom du lu ñuy rafetlu tamit en tant que ñun ndaw ñi nga xam ne ñun suñu maam la suñu lépp la ñu ngi koy wax daal na delloosiwaat xelam. ah bu fekkente nii nag yow dañoo téye sa doom ci kaso wala dara nga daan ni man damay jaxase ndax sama doom na génn wala naa la lëmbaaje xelu sénégalais yi ba duñu xam li xew lan la parce que coow nag bu bëree dëgg réer kon nag maam ñu ngi lay wax na nga delloo si sa xel Sénégal laaju loolu dal la woote jàmm la woote comme ni ko président de la république bëggee ah ñu ngi sargal tamit euh, directrice générale bu mi nga xamante ni ñëw na fi bërki de mboo wax dëgg yàlla nga xam ni président mu ngi jàppalante di joxante loxo ak kilifa yu mag yi nga xam ne ci àdduna yi bi ah, man réew mu ñu dugal seen loxo bu yàlla defee jàmm réew moom mën naa gaaw ci suqaliku kon ñu ngi rafetlu jotaayam ak teewaayam ci réew mi di ko sant di sant président de la république monsieur Macky Sall ah di wax tamit ci problème président nga xamanteni ni wax deug yalla gis nañ barki dem boo njaay raaya gu mag gi nga xamanteni ni takal nañ ko ko fële ci Allemagne ah wax deug yalla leppam ci doxu jam ak man ko ko may gis nañ fi Burkina Faso barki Dembo Njaay bi mu yëngatoo waxuma la jàmm ju mu soxla ci biir réew mi rek waaye bitim réew sax jàmm la fa bëgg kon njiit lu mel noonu bu ko askan amee dañu ko war a gunge jàppale ko dooleel ko ba fa mu bëgg yóbbu réew mi yàlla may ko mu yóbbu ko fa. ma dikk tamit ci suñu euh, naataango bi nga xamante ni mooy Thierno Alassane sàll ah wax dëgg yàlla. di ñaaw lu taxawaayam nag parce que am na loo xamante nii bu président wootee rupture ci réew mi ni dama bëgg a soppi doxin ak ña nga xamante ni dañ fee nekkoon di doxe weneen doxin woo xam ne du doxin bu sénégalais yi bëgg mu woote rupture ni nañu doxe ci weneen yoon woo xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askan wi kon moom bu fekkente ni dafa bokk ci ñun génn ay kàddu yu ñagas ak kàddu yu ñaaw yoo xam ne comme ñan na fi nekkoon doon doxee ah wax deug yalla ñun ñu ngi am gatché ci loolu ñun doomu APR ñu ngi nakarlu loolu parce que xaaruñu won loolu ci mom ah yow ko xamanteni nak président yëkëti na ministère bu gënoon a rëy ci gouvernement bi presque man nañ ñu jox lako nga bokku ci njaboot gi way kat ba dafa wax ni suux lu mbër nag ak mom muy bëre di daan ngay ree mo ci gën kon bu démé ba nga xamanteni dafa bokku ci ñun tadi di doxe doxin woo barki dem boo njaay election locale waron nañu jox exemple bo xamantene ñun ñi dëkk ci Thiès commune Augustin gatcha ngalama parce que buñu sañon ñun gagné comme ni mu gagné fandel ñu gagné ko Thiès waye ku ne xamna la tax ñu perte election yi Thiès yi ku ne xamna ko parce que ñaari liste parallèle yo xamni benn bi dafa nekk Thiès ouest benn Thiès est benn bi nekk Thiès nord te liko ko yépp xam nañu ko ciow nak bu bëree deug réer kon nak bu fa taxee ñoom ñuy ënd ay ciow ngir bëgg na saxal loolu ci xélu askan wi duñu ko mëna nangu té dinañu ko léral té dañu jëm ci échéance bo xamanteni ni muy euh, élection président de la république en 2017 ñu bëgg ci fal suñu njiit ci premier tour ah wax dëgg yalla bu fekkent ni def nañ lu mel non ci élection locale yi dikkaat bëgguñu ko def élection présidentielle ah bala ñoo ag ci fofa nak dinañu wax duñu wacc ba jaan rom mu ñuy dem ci watidwa kon nag moom xaaruñu ko woon foofu ñu li ñu koy xaare daal mooy na dikk topp ci ginnaaw frère am monsieur le ministre Augustin Tine ministre des forces armées coordinateur départemental bu Thiès joxanteeg moom loxo jàppanteek moom liggéeyal Thiès jëmee Sénégal kanam li président de la république bëgg mooy ñu falaat ko 2017 mu nekk ci derrière loolu ñun foofu la ñu koy xaar ah wax dëgg yàlla comme ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah J'aimerais bien d'abord rappeler les circonstances dans lesquelles ces élections-là se sont déroulées au niveau de Fanden. Euh, le processus électoral, tout le monde sait que le 29 juin 2014 ont eu lieu des élections au Sénégal. Et que ces élections-là, on devait déposer, n'est-ce pas, les listes des différentes coalitions ou partis politiques, particulièrement le mardi 29 avril 2014. Ce que pratiquement tous les mandataires de la coalition Benon Bokayakar, dirigée par Dr Augustin Tin, et d'autre part, la coalition André Defartiès, dirigée par Pape Bay, donc ont déposé tous les deux leur liste à la sous-préfecture de Kermoussa dans les délais. La publication officielle des listes a eu lieu le mardi 6 mai 2014. Et à partir de cette date, les mandataires des différentes coalitions avaient la possibilité de faire des recours ou bien de procéder en tout cas à des changements au niveau de, leurs de différentes listes. Il s'est trouvé que au niveau de la liste de la coalition Anne Defarties, dirigée par Pape Salumbey, il y avait des erreurs parce que tout simplement on avait fait succéder deux hommes dans la liste proportionnelle. Alors, puisqu'il y a une loi sur la parité, particulièrement la loi, euh, euh, du moins dans, le code électoral, la loi L224 stipule qu'en fait les listes doivent respecter impérativement la parité hommes et femmes dans les listes ce que Pape Salumbey n'a pas respecté dans sa liste. Alors, la coalition Benobok Yakar donc, a déposé un recours pour que cette liste-là soit annulée. Donc, la Cour d'appel, n'est-ce pas, a institué et a annulé la liste proportionnelle de Pape Salumbey. Alors ce dernier a déposé un recours et ce recours-là a abouti malheureusement à une validation, une invalidation en tout cas de la liste de Pape Salumbay euh, par, par, la chambre administrative, n'est-ce pas, de la cour d'appel de Dakar. Donc lors des élections, donc, dans les bureaux de vote, il y avait seulement que la liste de Pape Salumbay, mais sa liste majoritaire, titulaire et majoritaire suppléant. Après les élections donc, il y a eu donc un recours aussi présenté par Pape Salumbey pour annuler en tout cas les élections au niveau de Fanden. Soit disant que il n'y avait pas sa liste proportionnelle suppléant dans les bureaux de vote. Et au finish, après avoir déposé ce recours-là, en pourvoi en cassation, il y a une décision qui a été sortie. Malheureusement, même les sept conseils attribués par la commission départementale de recensement des votes par le tribunal a été rejeté par la Cour, en tout cas au niveau, lorsqu'ils ont déposé leur pourvoi en cassation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la commune de Fanden, pratiquement, il n'y a pas d'éléments qui proviennent de la liste de André de Il faut rappeler d'abord que, avant même que le mandataire de la coalition Benon Bokyakar dépose un recours pour annulation de l'aide des listes de Pape Salumbey dans avait déposé un recours pour qu'on puisse annuler les listes de la coalition Beno Bok Yakar. Parce qu'il avait dit que cette liste-là aussi ne respectait pas en quelque sorte la parité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Alors, dans les services de la sous-préfecture, lorsqu'on faisait la saisie des, listes, il y a eu des erreurs matérielles qui ont été faites sur les listes de Beno Bok Yakar. Et donc, il était de notre droit qu'on nous rétablisse effectivement dans nos droits en, en tout cas, mettant les vrais noms qui étaient déposés au niveau de la sous-préfecture. Et c'est ce que le sous-préfet a fait par un arrêté pour tout simplement, en tout cas, nous remettre dans nos droits. Par contre, dans les listes de Pape Salumbe, ce n'était pas le cas. Parce qu'après les 72 heures imparties par la loi, malheureusement, il n'y avait pas eu de changement dans les listes de Pape Salim Sinon, ce dernier est venu au dernier moment pour tripatuer tout simplement ces listes. Et c'est ce qui a fait que ces listes-là, malheureusement, on, a retrouvé dans ces listes-là des noms masculins qui se sont succédés. En l'occurrence, à la 9e et à la 10e place. Donc, ce que nous voulons dire à ce niveau-là, c'est dire que si aujourd'hui, Tcherno Alassane Sall déclare qu'il y a une victoire sans gloire au niveau de Fanden, je crois que ça, pour lui donner une réponse, nous allons le renvoyer tout simplement à l'administration de notre pays, à la justice de notre pays. Parce que l'autorité administrative, je crois que a fait ce qu'il devait faire à ce niveau-là. La justice aussi a tranché suivant les lois et les règlements de notre pays. Donc, si aujourd'hui, il dit que nous avons triomphé sans gloire, je crois que triompher sans gloire, ce n'est pas quelqu'un qui a battu des élections à plus de 70% au niveau de Fandel. Ça veut dire que Pape Salumbey était parti aux élections avec une seule liste. Il a battu campagne comme nous, nous avons battu campagne. Et au finish, donc le résultat, c'est que plus de 70% en tout cas, a été obtenu par la coalition Bok Yakar au niveau de Fanden. Donc, euh, l'autre élément, c'est que Tcherno manque de respect véritablement aussi aux populations de Fanden qui ont voté avec plus de 4000 voix pour la liste Bok Yakar. Donc, si un tel résultat est réalisé par la population de Fanden, et au finish, quelqu'un se permet de dire que les gens ont triomphé sans gloire. Je crois que c'est un manque de respect quand même envers non seulement les populations, mais à la coalition Benon Bokoyakar, qui regroupe du moins le Parti Socialiste, l'AFP, entre autres partis. Ah, pour revenir, alors gagner sans gloire, a dit, n'est-ce pas, monsieur euh, Alassane Sall, lors de sa manifestation. Une manifestation durant laquelle, semble-t-il, il faisait le bilan des élections après huit mois passés. Et au lieu de faire un bilan des élections au niveau de Thiès, il fait un bilan de Fandel. Alors que, au niveau de son propre bureau de vote, il a été battu largement. Au moment où ses détracteurs, que sont Pape Amadou Ndiaye et Dembe Diouf, le DC, ont battu largement au niveau de leur bureau de vote. Je crois que s'il devait faire un bilan, il fallait au moins dire comment il a fait pour perdre, n'est-ce pas, les élections au niveau, en tout cas, de son propre bureau de vote. L'autre élément, c'est que nous voulons dire tout simplement que Tierno Alassane Sall avait les moyens du parti lors des dernières élections. Et que ces moyens du parti ont été détournés au profit des adversaires même du parti. Parce que si aujourd'hui il s'agit au profit de Pape Salumbay, ça veut dire, ou bien ça suppose véritablement qu'il a soutenu Pape Salumbey lors des dernières élections et que Pape Salumbey était un adversaire de la coalition Benobok Yakar. Donc ça, ça pose un vrai problème. Raison pour laquelle euh, nous lui demandons, en tout cas, de dire véritablement où il a mis véritablement les moyens du parti lors des dernières élections. Pape Bey va laminer Augustin Tine à Fandel. Ça, c'était les propos de Tiano Alassane Sall devant le président de la République. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus l'objet parce que tout simplement, Augustin Tine a laminé Pape Salumbey au niveau de la commune de Fandel. Pour terminer, nous disons tout simplement si Tcherno Alassane est en relation avec Salim aujourd'hui la question principale que nous nous posons, c'est de savoir est-ce que Tcherno n'est pas en train de travailler pour partir à Réumi D'autant plus que Pape Salim était un élément de André Defertiès. Donc, normalement, il est en collaboration avec Idriss Seck. Donc, si aujourd'hui, Tcherno Alassane sale prend la défense de Pape Salomé je crois que il y a quand même une interrogation à se faire à ce niveau-là. Donc nous, nous terminons pour dire tout simplement, aujourd'hui, ce qu'il y a l'objet, c'est au lieu de se tirer entre frères, n'est-ce pas, de partis, je crois que plutôt Tcherno devait savoir que son vrai adversaire, ce n'est pas Dr Augustin mais c'est d'abord le PDS, c'est aussi d'abord la, euh, la demande sociale. Je crois que c'est la demande sociale ou bien peut-être le PDS qui sont aujourd'hui leurs adversaires, mais ce n'est pas Dr Augustin qui a tout fait pour gagner des élections et qui continue à mener des tournées dans le département et dans la commune pour que tout simplement, lors des, pendant les élections prochaines, qu'ils puissent remporter véritablement ces élections-là. Je crois que c'est ça le vrai combat, c'est ça le vrai défi qu'il faut relever. Je vous remercie.